man la Anta Mbaye Diop di présidente conseil d'administration bu mutuelle de santé bi tey dañoo woote woon fii ci salle des fêtes di joxe carnet yi nga xamante si ni benn waaju baax koo nga xam ni bëggul kenn xam turam moo ko may élève yi mu toll ci juróomi téeméeri carnet li ñuy tuddee seemi élève seemi élèves yooyu nag benn waay moo ko moo ko may élève yi ñu jël ci 10 écoles yi école bu nekk ñu jël ci 50 élèves tey loolu lañ ñëwoon fii di ko joxe di ñu wax ne am nañ ci satisfaction lool parce que parents yi ñëw nañ élèves yi ñëw nañ gis ngeen bës bi ni mu toll woon euh, di wax na carnet yi dafa baax ndax ñu ñi nekk ci école yi dañuy jànkonteeg ak élèves yu bëri yoo xam ne dañuy dañuy xaw xaw di feebar léegi nag feebar yooyu nag des fois seen parents yi du ñu am lu ñu jëndee ordonnance yooyu mais bu yàlla dogalee ñu am carnet yi lépp dafay yomb ci ñoom tey carnet est-ce que mën jëfandikoo. waa carnet bi boo ko amee euh, boo demee lépp looy itteewoo ci poste de santé bi ba ci centre de santé bi bu dee téeméer la yow 100 francs ngay fay maanaam dafay commencer ca ticket ba ba ci analyse ba ci hospitalisation rajo lépp ba ci ordonnance yi nga xam dafa am ci biir centre de santé bi wala biir. poste de santé bi bu dee téeméer la yow ñaar fukk ngay fay comme ni ngay daggee ci ticket bi rek noonu ngay fayee ci ordinance bi léegi nag bu fekkee ni da am ordinance ordinance ba jëm ca pharmacie ba boobu da ngay ñëwaat fii ci bureau bi ñu bindal benn euh, kayit nga dem ca pharmacie ba ca àngal pharmacie daara ji mu jox la ko bu ko defee ordinance bi nu mu mën di toll bu bokkee ci garab yi nga xam ne mutuelle bi da koy jël en charge nu mu mën di toll yow xaaj bi ngay fay bu dee 5000 la yow 2500 ngay fay kuréel bi de vraiment euh, comme ni niñ ci wax rek am na tuuti tuuti tuuti rek amoon na fi nag ay toll woon nay temps mu metti woon lool mais actuellement alhamdulilah yàlla mu ngi suturaal ba jafe-jafe yëpp teggeeku na. ndax ñu mel ni kii ak ñeneen ñi nga xam ne ñoo fi jaaroon ay Mamadou Mbengue Guèye ay ñoom ñëpp dugal nañ ci seen loxo ba loolu yëpp daanaka ñu ngi koy saafara xëy na nag jafe ak mutuelle de santé ak loolu ñoo ànd waaye bu soobee yàlla dinañ def sunu kéemtalaay kàttan ba lépp lu mu ci mën di doon rek dinañ ko saafara incha allah. lan ngay wax njaboot gi amagul carnet. waaw ñu ñëw adhéré parce que tey boo xoolee salle bi ni mu feesee boo parents yu ci bëri boo leen laajee ñu ne ñoom amuñu carnet mais jàpp naa ni def nañ fi sensibilisation bu muccu ayib ak euh, témoignage yi fi jóg yi nga xamante si ni wax nañ ko fi ñi am carnet buñu démé ba Thiès li ni fajo ñi nga am carnet buñu leen bindalé ordonnance li ni fay loolu yépp génnee nañ ko fi wax nañ ko fi parents yu bari vraiment dégg nañ ko ba ñu bari ñu ngi né tok di ma xaar pour ñu ñëw adhérer ci mutuelle de santé bi. L'activité qui nous réunissait aujourd'hui tournait autour de la remise des carnets qu'un généreux donateur a bien voulu financer à hauteur de 500 000 francs, ce qui va permettre euh, fondamentalement aux enfants de pouvoir bénéficier des soins de santé à moindre coût. Euh, l'importance que cela revêt, c'est que cela permet euh, aux enfants qui sont souvent malades au niveau des, des écoles de pouvoir très tôt se rendre au poste de santé pour pouvoir continuer leurs études. Parce qu'on a vu que la plupart des enfants euh, restent des jours sans pouvoir venir à l'école et cela va impacter négativement sur l'enseignement-apprentissage. Et si les parents ont la certitude qu'en allant au niveau des structures de santé, ils pourront bénéficier des soins de santé, des soins de santé euh, de bonne qualité, mais également à moindre coût. Cela poussera effectivement à, s'y rendre. Cela va nécessairement réduire euh, le taux d'absentéisme, qui est un, facteur qui, inhibe euh, l'enseignement-apprentissage. Revenons maintenant sur euh, les modalités d'utilisation. les modalités d'utilisation pour quelqu'un qui bénéficie de la couverture maladie universelle, il pourra à bénéficier, avoir une réduction à hauteur de 80%. Cela veut dire que s'il se rend au niveau des postes de santé euh, en achetant un ticket jusqu'aux ordonnances, cela va, euh, il ne va payer que 20%. Euh, donc cela c'est important. Pour ce qui est des, des, autres prestations, surtout pour les médicaments de, spécialité, où on ne les retrouve pas au niveau des, eBay, ils vont se rendre nécessairement au niveau des pharmacies et ils vont bénéficier à hauteur de 50%. Là également c'est important. Et euh, la mutuelle va les accompagner nécessairement euh, s'ils sont ils vont recevoir d'autres soins beaucoup plus, plus au niveau de, de Tuaon ou de, ou Bon, les difficultés sont... c'est général. Hein. Si on regarde euh, la couverture maladie universelle au niveau des mutuelles de santé, euh, il y a des difficultés, mais nous sommes en train de les résoudre. Ce qui est la cause fondamentale, c'est euh, la massification qui tarde à se faire et la compréhension que les gens ont des mutuelles de santé. C'est vrai qu'il y a des mutuelles de santé qui se sont succédées, qui n'ont qui pas pu répondre aux attentes des populations. Mais là, je crois qu'il y, a une, euh, une différence dans la mesure où, c'est un programme de l'État du Sénégal qui, qui, appuie euh, à hauteur de la moitié la cotisation. Mais cette cotisation, si on l'avait au niveau des, mutuelles de santé, il n'y aurait pas de problème. Mais ça, ça passe au niveau régional, au niveau départemental, et on n'en bénéficie pas. Et là, euh, pour ce qui est du paquet de base, où on, on prend en charge, nous, le paquet de base, euh, on n'a pas de problème pour ce qui est du paquet de base. ce, qui est, difficile, ce qui nous a un tout petit peu euh, plombé les, ailes, c'est que euh, on avait pris en charge ici au niveau de Méret euh, le paquet complémentaire que devrait prendre euh, au niveau, le, niveau départemental. C'est ce qui a eu, que on a eu des, quelques problèmes, mais grâce aux généreux donateurs euh, qui, qui réagissent à, notre appel, euh, pour nous permettre de massifier euh, la structure, on est en train de, résoudre ces problèmes-là. Par rapport maintenant à l'adhésion, quel est le message que vous lancez Bon, demandez aux gens d'adhérer à la, à la mutuelle de santé parce que c'est important quand le fonctionnaire bénéficie de l'appui de, l'État, parce qu'il a une imputation budgétaire qui prend en charge presque 4 cinquièmes de, des charges, et là également, euh, ceux qui ne bénéficient pas de, ces prestations-là devraient pouvoir bénéficier de, de la couverture maladie universelle, parce que c'est c'est l'argent du contribuable sénégalais et nous tous, nous devons être traités au même pied d'égalité. Donc, euh, euh, adhérer à la mutuelle de santé, c'est pouvoir bénéficier de ces, de ces prestations-là. Et je crois que cela ne fera que diminuer ou bien atténuer euh, les charges qui sont très, très élevées au niveau, au niveau des, des structures de santé. Et également, cela va permettre aux gens d'aller se rendre, de se rendre très rapidement au, niveau des, structures de santé. Parce que ce qui empêche les gens d'aller dans les structures de santé, c'est parce qu'ils n'ont pas les moyens de, se soigner. Mais si on a euh, un, des processus qui nous permettent de, de, réduire cela, je crois que cela peut nous aider à avoir des soins de santé de qualité. Euh, je vous remercie, remercie également le général donateur qui a eu l'ingénieuse idée euh, de financer cela, même s'il est, c'est un ami à nous tous. Euh, il a voulu garder l'anonymat, donc on va respecter cela, mais dire que nous le remercions très sincèrement parce qu'il a fait aujourd'hui, quand on regarde l'engouement que nous avons eu, les témoignages que nous avons eu à recevoir, cela montre qu'il a bien fait.